Jeudi demain 2024, fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez partout au Niger à travers nos 52 radios partenaires. À la présentation, je suis Ali Moukela alias Seno et à mes côtés ce matin, Salamatou Kadri. La technique est assurée par euh, Issa Lawali et Adama Dawaki et à l'édition. Bonjour Sali, comment vas-tu Je vais bien Seno et toi Dieu merci. Alors, euh, alors sur quoi portera notre menu d'aujourd'hui dans le Niger sur Kalongo d'aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes alléchants pour pimenter la journée de nos fidèles auditeurs et auditrices actuellement escotés. Du flash info pour commencer, de la bonne musique nigérienne sera servie, du loti avec les femmes du studio Kalongo, du sport avec notre chroniqueur sportif du jour, sans oublier la réplique hebdomadaire éducation numérique. Dans la partie invité du jour, nous recevons Monsieur Lawan. Il est médecin en formation à la faculté des sciences et de la santé de l'université Abdou de Niamey. Avec lui, nous parlerons des aspects préventifs euh, et thérapeutiques de la maladie ulcéreuse gastro diédénale L'écho des régions d'aujourd'hui nous conduira dans la région de Dosso, précisément à Guéchemé, pour parler de la signature d'accord de paix entre les Hausa et les Peuls. Nous terminerons cette édition avec les messages des auditeurs. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash info avec Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour nous. bonjour Salam. Bonjour Rafika, quelle est la tendance de l'actualité de ce matin Alors pour ce matin, nous allons commencer avec la campagne de vaccination contre la méningite qui a commencé ce matin à Niamey. Cela entre dans le cadre des efforts pour contenir la propagation de la maladie. Selon l'OMS, ce nouveau vaccin a l'avantage de protéger les cibles contre cinq souches. C, W, X et Y qui sont les principales causes de méningite au Niger. Rappelons-le, le pays est actuellement confronté à une augmentation rapide du nombre de cas avec une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. À la semaine 16 de 2024, le Niger a rapporté un total de 2012 cas de méningite avec 123 décès. Ensuite, la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Madame Aïssatou Abdoulaye a reçu les doléances des centrales syndicales du Niger. C'était à l'occasion de la fête du 1er mai. La quasi-totalité de ces doléances sont celles de l'année 2023 non satisfaites et qui ont été encore reconduites cette année. Il s'agit notamment de la suspension de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé, de l'octroi d'une prime de départ à la retraite, de la mise en œuvre du taux du SMIG revu à la hausse, etc. Après, la ministre a assuré les syndicalistes en déclarant que ces doléances feront l'objet d'un examen minutieux par le gouvernement. Et terminons ce flash dans la zone des trois frontières où l'armée malienne confirme la mort de Abu Huzaifa Di Hugo al-Maghribi, le commandant de l'État islamique au Grand Sahara. En effet, dans un communiqué publié lundi, les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé un haut responsable de l'IEGS dimanche 28 avril lors d'une opération dans la région de Menaka. Il serait impliqué dans plusieurs attaques meurtrières de ces dernières années dans la zone des trois frontières, notamment celle du Tongo Tongo en 2017 au Niger. Sa tête avait été alors mise à prix pour 5 millions de dollars, soit 3,4 milliards de francs CFA par le département d'État américain. Merci Rafika pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons euh, comme invité du jour M. Lawan. Bonjour Lawan. Bonjour c'est Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin en formation à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et avec vous, nos échanges porteront sur les espaces les aspects préventifs et thérapeutiques de la maladie ulcéreuse gastro-diédénale. Mais avant de donner la parole à Lawan, si nous écoutons d'abord la première note musicale de notre playlist d'aujourd'hui, une façon de permettre à nos auditeurs de bien s'installer. Voici pour vous Salama du groupe Carnaval de Maradi. sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani babba yaro na zo fage da taro etuwar eh, min hito masha Allah fage na aiki Allah ke mu mugata wasa mun ka zo ba mu zo gumi ba mu yi masa baha musa da zumunta mu muje etuwa eh, Allah ke ba mutum ba hasada ga mai rabo ashe taki ce masu sammu da karuwa Allah ka ɗaukaka su zakaran da Allah ya nuwa sai yayi yi tara wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi haƙuri za ya yi don sa ido sana'a banza. komin gudun zomo ba zai kure dawa ba komin nisan gari akwai na gaban shi Allah ya yarda yanzu da mu ake yi a da'a ta uwaye ita ke waraka mu mara da gari na kaga ina da gata gani kofar fadar masarautar katsina mare mawa sultan alzaki baba Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka gani kofar fadar masarautar gobe sultan abu bala marafa sannu baba Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a sa'a hey ko ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a sa'a hey mes chers auditeurs et les titres de ce morceau que vous êtes en train de kiffer produit par l'orchestre Carnaval de Maradi dirigé par l'artiste Papayaro, un artiste complet qui chante sur divers thèmes tels que l'amour, la paix, l'unité et la cohésion sociale. balle matan shi ai masu daka da kwari kwando ki kwando kwando baya da mata balle matan shi ai masu daka da kwari masu daka da kwari masu daka da kwari Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Salaman de l'orchestre Carnaval de Maradi dirigé par Papayaro. Alors, euh, nous osons espérer que vous, vous êtes bien installés, chers auditeurs. À présent, on se tourne vers notre invité du jour, Monsieur Lawan. Alors, Lawan, rebonjour. Rebonjour, c'est nous. Mm. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la maladie ulcéreuse gastro diodénale et quelles en sont les principales causes voilà, bonjour euh, chers auditeurs et chères auditrices. Euh, je suis en tout cas aujourd'hui honoré de m'entretenir avec vous euh, sur un sujet assez particulier, un sujet assez fréquent euh, celui qui est celui de la maladie sérieuse gastro communément appelé l'ulcère ou bien estomac, mhm. qui est en tout cas une maladie assez fréquente dans nos régions et qui est surtout fréquente chez les hommes plutôt que chez les femmes. C'est en tout cas une maladie, dans la définition, c'est une plaie en fait de l'estomac. L'ulcère gastrique mhm. est une plaie au niveau de l'estomac qui, en tout cas, sous la pression de l'acidité gastrique, et se manifeste par, par les douleurs, les douleurs gastriques, et les principales causes en sont surtout les persécutions acides de la de l'estomac, aussi euh, l'infection bactérienne à Helicobacter pylori, qui est aussi une principale cause, aussi euh, la consommation excessive de certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires, notamment l'aspirine, qui sont des médicaments qui causent en tout cas cette maladie. Et quels sont les symptômes courants de cette maladie et comment peut-on la diagnostiquer les symptômes courants de, cette maladie, c'est principalement la douleur, la douleur au niveau. Voilà, exactement, c'est la question que j'allais poser à quel <laughs> niveau La douleur au niveau épigastrique. L'épigastre, c'est au-dessus de l'ombilique, hmm. la région au-dessus de l'ombilique. C'est surtout à cette région hmm. que se trouve la douleur, mais ça peut se localiser à d'autres endroits, mais principalement, hmm. la douleur, elle est du siège épigastrique. C'est une douleur à type de crampe. C'est une douleur qui est calmée par la prise de nourriture. Aussi, c'est une douleur qui survient surtout deux heures à 3 heures, voire 4 heures de temps après la prise de nourriture. Hmm. C'est une douleur à type de faim douloureuse. À chaque fois qu'on a faim, on sent cette, cette douleur en fait. Hmm. Ensuite, nous avons les reflux gastriques dans les signes. Aussi, on a la sensation de faim fréquente et la sensation de plénitude gastrique rapide. Dès qu'on mange un peu, on a l'impression d'être rassasié. C'est en tout cas principalement les principaux, les principaux signes qui caractérisent la maladie sérieuse gastrique du Vous avez évoqué un mot qui me semble un peu compliqué à comprendre, plénitude gastrique, ça veut dire quoi Sensation de plénitude gastrique, ça veut dire que quand vous, avez, quand vous mangez, vous avez l'impression d'être rassasié alors que ce n'est pas le cas. Hmm. On continue de manger <laughs> malgré les douleurs ou bien <laughs> non, c'est la douleur, elle est calmée par la prise d'une nourriture. Ok. Parce que, bon, on va expliquer ça. C'est clair maintenant, d'accord. Alors, quels sont les, facteurs de risque associés à la maladie euh, ulcéreuse gastro diodénale je, pense que je prononce bien le terme. Diodénale. En tout cas, c'est ça, c'est ça, ce sont des termes médicaux. Ulcère <laughs> gastrique, oui. bon, on ne peut pas dire ulcère gastrique, pourquoi Parce que la majorité des ulcères ne sont mm. pas localisés au niveau de l'estomac. C'est au niveau du duodénum. Le duodénum, c'est la continuité du tube digestif qui suit l'estomac, en fait. Le duodénum, c'est la continuité de, de l'estomac, en fait. Ce n'est pas mm. proprement l'estomac. C'est pourquoi on dit la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Mm. C'est une région anatomique. Mm. Bon, ensuite. Quels sont euh, les facteurs de risque associés à, cette maladie Bon, les facteurs de risque associés à cette maladie, c'est principalement euh, la mauvaise alimentation, euh, comme vous le savez tous ici au Niger, nous avons pour euh, habitude de ne pas manger à des heures euh, en tout cas raisonnables. Nous ne mangeons pas de façon régulière, de façon rigoureuse. Hmm. Ça, ça cause beaucoup vraiment l'ulcère gastrique. Aussi, il y a le tabagisme. Le tabagisme, c'est l'une des causes de l'ulcère gastrique. Hmm. Aussi, il y a l'automédication. L'automédication, c'est la prise des médicaments sans euh, sans consentement de peut-être du médecin mm. ou bien sans suivi au niveau du médecin. Mm. C'est ça, surtout les principaux facteurs de risque mm. de, de l'ulcère gastrique. Aussi, la prise de café et d'excitants, de thé et autres. Même le thé Oui. Parce que ça cause, euh, en tout cas, la, la, de l'acidité gastrique. Et quand il y a hypersécrétion, il y a un déséquilibre entre euh, les facteurs qui, qui protègent l'estomac et les facteurs qui agressent l'estomac. Parce que en temps normal, l'estomac il est protégé mm. et l'acidité en, en tant que telle, l'acidité de l'estomac ne ne blesse pas l'estomac en temps normal. Mais quand il y a une hypersécrétion, ça peut causer l'ulcère, ça peut causer la plaie. Et il y a certaines personnes, euh, on entend euh, parler, d'autres disent que euh, souvent c'est causé aussi du fait que on, consomme des aliments qui contiennent beaucoup d'huile. Est-ce que cela est vrai le piment. Est-ce que cela est vrai Oui, cela peut être vrai. Parce que le piment en tant que tel ne cause pas l'ulcère gastrique en fait. Hmm. Le piment, ça aggrave les signes ça aggrave les signes de l'ulcère gastrique. Mm. C'est surtout l'aggravation des signes, mais ce n'est pas en tant que tel la, la cause mm. de cet ulcère-là. Donc c'est après avoir développé la maladie que c'est Après avoir développé la maladie. Super. Alors, mm-hmm. quels sont les aspects préventifs que les individus peuvent adopter pour réduire leur risque de développer cette euh, maladie Alors, comme euh, aspect préventif, nous pouvons énumérer euh, peut-être limiter la consommation des excitants. Euh, notamment le tabac, l'alcool, le café. Privilégier aussi certains aliments, certains aliments qui, causent, qui font en tout cas l'alcanisation de l'estomac, qui réduisent l'acidité gastrique, comme euh, certains aliments comme les choux, les carottes, les pommes de terre, les légumes secs. Mhm. Prendre aussi le repas dans le calme, et bien prendre le temps de mastiquer pour mhm. faciliter la digestion à l'estomac. Mhm. Aussi, on a évité de boire au cours des repas. Parce que quand vous buvez au cours des repas, vous rendait la tâche difficile à l'estomac. Du coup, la digestion, elle n'est pas facilitée. Voilà. Alors, euh, euh, dans cette euh, première partie de nos échanges, nous avons retenu que d'abord l'ulseur l'ulcère, c'est une plaie euh, qui se trouve au niveau de l'estomac et que voilà ou, du, voilà et que souvent cette plaie est causée par la consommation du tabac et aussi le le fait de ne pas manger à temps, de respecter les heures à laquelle l'on doit manger, tout ça font partie des causes de cette maladie, nous avons retenu quand même par rapport euh, euh, aux méthodes euh, préventives, on peut retenir que vous, vous l'avez si bien évoqué, qu'on doit éviter la prise excessive du café, du thé et aussi la consommation du tabac. Chers auditeurs, avant de continuer nos échanges avec notre invité, faisons une petite pause musicale avec ce titre Frère chanté par l'artiste rappeur Ayman.

ni hangai ermani dan kai hangani ai tale dumdumi ai ngare masiti adumi ni sego arsani kala dani sankomi fondo kai dingani sikani tontoni hagoi masikoitoni saitana tangami andunya obani guna kakai kulukan yankani Petit frère, maman hanke yani Petit frère, agoye masi koy toni Kaine, maman hera soni Kaine, maman hanke gani Petit frère, masi te hanke gati Ay tere ilale randini Petit frère, ni mama hanke gani Ni mama ni mate hanke gani Kaine, masi te hanke gati Masi zeyda I'm a guayama. Jamani buya mbisese ni hawi mabandum ni hona herase al nisibani matabi masigana kyorolale hey kaine suba kaine geno gandede unisin tugu masite de din furu seni raba sin bande anya ne baba inno bare Petit frère est le titre que vous êtes en train d'écouter de l'artiste Hayman. Dans ce morceau, l'artiste donne live concert à son petit frère de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et d'être obéissant envers les parents. Et oui, il fait partie des artistes qui est beaucoup rattaché à la société. Et beaucoup de ses textes parlent euh, de la prise de conscience des jeunes et les invitent à une bonne conduite dans la société. Voilà, c'était là le titre Petit Frère chanté par euh, l'artiste rappeur Ayman. Chers auditeurs, poursuivons notre échange avec M. Euh, Monsieur Lawan. Euh, alors, Lawan, dites-nous quelles sont les options de traitement disponibles pour les patients atteints de la maladie ulcéreuse gastro diodénale Alors, pour les options thérapeutiques qui se présentent, nous avons en tout cas des options qui sont en fonction de la cause de l'ulcère si, en tout cas, c'est un ulcère causé par la prise des anti-inflammatoires ou de l'aspirine, le simple arrêt de la prise des médicaments peut euh, rendre l'ulcère réversible en fait. Mm. Euh, pour ce qui concerne l'infection bactérienne à l'hélicobactère pylori, il faut faire une éradication de l'hélicobactère pylori, notamment par une antibiothérapie et un pansement gastrique. Un pansement gastrique, c'est essayer de protéger l'estomac de sa propre sécrétion gastrique, de sa propre sécrétion acide du moins, et dans un temps pour permettre à l'ulcère de cicatriser. Mm. Oui, c'est un peu un grand point pour ne pas rentrer dans, les options vraiment thérapeutiques, médicamenteuses. Pour, euh, les, comment on appelle ça, les traitements qui, qui se proposent. Mm. Existe-t-il des approches thérapeutiques non pharmacologiques qui peuvent être efficaces dans le traitement de cette maladie Oui, comme approche thérapeutique non pharmacologique, on a notamment le gingembre, qui est en tout cas un antiacide ah très, euh, très efficace et naturel, qui est en tout cas euh, disponible à tous, à tous. On a aussi euh, l'aloe vera, qui est aussi un antiacide. Aussi le kurkuma, qui est, en tout cas une plante de la même famille que le gingembre. Hmm. C'est quoi le kurkuma C'est une plante, on, ne trouve pas ça ici souvent chez nous, hmm. mais c'est de la même façon, c'est la même famille que le gingembre. C'est pratiquement la même chose. Mais le gingembre, ça pique, non Est-ce que quand on prend ça, quelqu'un qui a euh, l'ulcère, s'il prend ça, ça, ça n'augmente pas la douleur non, non, non. En fait, le gingembre, il a une action bicarbonate. Hmm. Le bicarbonate, ça inhibe l'acide, en fait. Ok. Donc, ça ça, ça, ça, peut être sans danger pour ceux qui, sont, qui, ont l'ulcère. Ok. Hmm. Alors, euh, avant, avant, d'aller avec euh, la, prochaine question, il y en a aussi des personnes qui sont atteintes euh, d'ulcère, qui souvent, euh, pour détecter le niveau, n'est-ce pas, euh, de la gravité peut-être de la plaie, comment cela se fait Est-ce que c'est simplement par la détection des symptômes que vous venez de citer ou bien il faut passer à d'autres examens En fait, le diagnostic même de l'ulcère en tant que tel, le diagnostic de l'ulcère se pose à l'endoscopie voilà. C'est un examen qu'on fait, notamment on met la caméra, on met une caméra, une sorte de caméra à l'intérieur du tube digestif pour essayer mm. de visualiser l'estomac et le jejunum, essayer de voir la localisation la localisation de l'ulcère, essayer aussi de préciser la forme de l'ulcère et sa taille. Mm. C'est en tout cas c'est l'examen de choix. Euh, qui, permet de faire le diagnostic de l'ulcère de Alors, euh, quel conseil donnerez-vous aux personnes souffrant de cette maladie pour gérer efficacement les conditions au quotidien Bon, comme conseil, moi je donnerais les conseils euh, suivants. C'était d'éviter de manger trop épicé pour ceux qui se, qui se savent, euh, qui, qui ont des ulcères. Éviter aussi de manger trop gras éviter de boire pendant les repas pour euh, faciliter euh, euh, la digestion, éviter ou bien comment on appelle ça mastiquer correctement pendant la pendant la pendant l'alimentation. On doit éviter de boire pendant pendant pendant qu'on est en train de manger parce que ça ne facilite pas la digestion. Ah d'accord. Voilà. Hmm. Ok, merci euh, infiniment Lawan, euh, ça serait tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci nous. Excellente journée à vous. Bye bye. On prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, euh, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur euh, notre site web le www.studiocalangou.org. Chers auditeurs, poursuivons notre émission avec la rubrique hebdomadaire. Sinon, on va parler de quoi maintenant Aujourd'hui, dans la rubrique hebdomadaire éducation numérique, nous allons parler d'une collaboration entre l'entreprise médiatique financière Times et OpenAI le développement de l'intelligence artificielle ChatGPT. Pour en discuter, nous avons avec nous Ousmane, rédacteur en chef adjoint pour euh, le numérique au studio Kalangu. Bonjour Ousmane, merci d'être avec nous. Bonjour Seno, bonjour à tous. Bonjour Ousmane. Alors, euh, pour nos auditeurs qui pourraient ne pas être familiers avec euh, cette collaboration, quelles sont ces entreprises qui se mettent ensemble Alors, donc, euh, faisons un petit topo. Donc, le Financial Times, comme ça s'appelle, c'est un média britannique spécialisé sur les questions économiques depuis maintenant plus de 130 ans. Il a été fondé en 1888 plus précisément. Alors quant à OpenAI, c'est une boîte qu'on ne présente plus puisqu'elle est spécialisée dans le développement d'outils d'intelligence artificielle dans le célèbre GPT que tout le monde euh, a vu passer. Et pourquoi ce partenariat est si important alors, ce partenariat annoncé euh, ce lundi marque une avancée euh, dans l'interaction entre l'IA et le journalisme. L'IA, donc, pour l'intelligence artificielle. Il faut rappeler que les journalistes et plein d'autres producteurs de contenu avaient très peu confiance en ChatGPT euh, et d'autres IA génératives à leur lancement, puisque personne ne comprenait en fait avec quelles données ces outils étaient entraînés, il y a aussi des problèmes de droits d'auteur qui se posent encore aujourd'hui. Donc en substance, euh, l'objectif de cet accord est donc d'utiliser les articles du Financial Times, un média très réputé, euh, pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle euh, de, donc d'OpenAI, à l'occurrence ChatGPT. À retour, tout contenu provenant du Financial Times utilisé dans les réponses de ChatGPT donc sera attribué et lié à la publication d'origine. Donc probablement il y aura des liens cliquables qui vont vous renvoyer vers des articles du Financial Times. Donc cela signifie que les articles de ce média-là serviront à améliorer euh, la capacité de ChatGPT à comprendre et à générer du contenu économique, puisque le principal reproche aujourd'hui qui est fait aux IA euh, reste leur imprécision sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, sur beaucoup de thématiques. Ce sont des outils qui racontent souvent des Mensonge, On dit dans le jargon que ces IA-là hallucinent. Une collaboration assez intéressante. En quoi cela pourrait-il bénéficier aux deux parties alors, pour le Financial Times, cela euh, représente une opportunité de contribuer à l'amélioration de l'IA tout en augmentant potentiellement sa portée. Euh, en partageant son contenu avec OpenAI, le journal peut étendre son influence au-delà de ses lecteurs traditionnels. en ce qui concerne OpenAI, cette collaboration va lui permettre d'accéder à un contenu de qualité provenant d'une source réputée, ce qui va renforcer la qualité de son modèle d'intelligence artificielle et on espère aussi euh, qu'il pourrait être bénéfique pour les clients et utilisateurs communs. Ousmane, qu'en est-il des aspects financiers de cet accord Cette collaboration en fait reflète euh, une évolution euh, dans la façon dont les entreprises technologiques envisagent leurs relations avec les producteurs de contenu. Euh, John Reading, donc, qui est le patron du Financial Times, a souligné l'importance de reconnaître le rôle des éditeurs dans la formation de l'IA parce qu'il faut rappeler que ces outils d'IA sont en fait entraînés avec de la donnée et à en faveur d'une rémunération équitable pour l'utilisation de leur matériel. Donc chacun veut que si euh, OpenAI utilise euh, vos contenus, qu'on vous paye au moins. Mais cependant, les détails de cet accord entre OpenAI et le Financial Times ne sont pas encore publics. On ne sait pas trop euh, ce qu'il y a dedans. Il faut rappeler que OpenAI a aussi conclu euh, des accords financiers avec d'autres éditeurs, d'autres journaux internationaux tels que euh, Axel Springer, Associated Press, Le Monde ou Prisa Media. Alors, ces types de collaboration pourrait-il aboutir à une autre forme de modèle économique pour certains médias en tout cas, c'est ce que l'on pense. Par exemple, pour le Financial Times, cela pourrait potentiellement signaler euh, la fin du mur payant. Traditionnellement, l'accès à ces articles nécessitait un abonnement payant à 39 dollars euh, par mois. Donc, en partageant son contenu avec OpenAI, cela pourrait représenter un changement dans sa stratégie de monétisation du contenu de son journal. Même si je le rappelle encore une fois, on n'a pas plus d'informations sur la nature et la forme que prendra l'accord financier entre ces deux entreprises. Merci euh, beaucoup Ousmane pour euh, ces éclaircissements dans cette chronique. Merci beaucoup Ousmane. À Excellente journée à vous. Bye bye. Voilà chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Faisons un tour musical avec ce titre bizarro du groupe de rap Natural Black et Ramflow. Worth Et oui, voilà, c'était là le titre Bizarro du groupe euh, de rap N-Black. À présent, chers auditeurs, direction d'Osso, plus précisément à Guichemé pour l'écho des régions, qui évoque la question de la signature d'accord de paix entre les Hausa et les Peuls, n'est-ce pas Sali Et oui, c'est nous à Guéchémé, de la région de Dosso, avant-hier, mardi, les communautés du Dalol, particulièrement les Hausa et les Peuls, ont signé un accord de paix pour la prévention des conflits. Notre reporter Tarnan Foudé Ahmed et Adam Sariou étaient présents à cette signature. Écoutons leur reportage. C'est sous cette ambiance tonitriante, au rythme des tam tam et des danses, que les deux grandes communautés de Dalol, à savoir les Hausa et le Pel, ont signé l'accord de paix dans l'enceinte de la mairie de Guéchemé. Un accord obtenu après plusieurs mois de négociations sous l'égide du Centre pour le Dialogue Humanitaire HD. Lawa Massaoudou, le chef des bureaux HD Niger explique. HD a accompagné les communautés pour qu'elles puissent elles-mêmes trouver des pistes de solutions qui sont consensuelles afin qu'elles puissent euh, sortir de cette euh, situation. Après cinq mois d'inclusion des chefs traditionnels, des comités, des autorités à tous les niveaux, nous sommes arrivés aujourd'hui à la signature de cet accord et nous rendons grâce à Allah qui a voulu que les choses soient ainsi faites. Les signataires de cet accord n'ont pas caché leur joie et leur satisfaction quant à l'aboutissement de cette signature importante non seulement pour le développement de leur commune, mais surtout pour le bon déroulement de l'agriculture et de l'élevage. Abdou Tankari, chef de village de Giwaye, l'un des signataires souligne l'importance d'opposer sa signature. Relativement à cet accord, nous avons commencé les discussions ici à Gachemé et ensuite nous avons continué à Dosso. Là-bas à Dosso, nous avons pris des engagements et nous avons fait la promesse. Moi, en tant que chef de village de Giwaye, j'ai signé qu'on va rester en paix avec les éleveurs. Inch'Allah. Aboudou Aoudé, chef de tribu Pelle de Gachemé, indique avoir signé cet accord pour la paix et la quiétude de la population de sa commune. Nous, c'est à cause de la paix qu'on a signé cet accord. On l'a fait pour Geshemi, parce que Geshemi, c'est chez nous. La paix au-delà de tout, y compris le chef, car le chef ne peut diriger que quand il y a la paix. Dans Allah, j'appelle les populations de Geshemi à la paix et de revenir à nos anciennes manières de vivre ensemble. C'est ça mon souhait. Hadiza Inoussa et Boubacar Maman étaient tous les deux témoins de cet accord. Ils appellent au suivi et surtout au respect de toutes les clauses qui contiennent ces documents. Je trouve cet accord très, très, très intéressant. Je tiens à interpeller les signataires pour qu'ils veillent vraiment à ce que cet accord soit vraiment bénéfique pour toute la commune. C'est pas seulement de signer, mais il faut suivre. Il faut que les gens respectent ce qui a été décidé. Si chacun respecte, personne n'empiétera sur les droits de l'autre. Après cinq mois de tractations et de rencontres à la fois tendues, l'objectif est atteint, car les populations d'Idalol sont parvenues à un accord. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre page sport et Sariou Adam est avec nous pour l'essentiel du sport. Bonjour Adam. Bonjour Seno, bonjour Salamatou. Bonjour Adam, les équipes jouent la 23e journée de la Super League. Eh bien, hier à Dosso, la National nationale a battu le Tagour à domicile sur le score de 2 buts à 0. À Niamey, le Liberté Football Club et le Zongorzo FC ont fait mac nul, un but partout. Alors, quelle est la suite euh, du programme de cette 23e journée, Adam C'est nous aujourd'hui, il y aura deux matchs à Niamey, l'Olympique FC contre Espoir FC de Zender et l'Union sportive de la Gendarmerie nationale contre le Zmunta. Demain, le Sahel Sporting Club reçoit la jeunesse sportive de Tawa. Et vendredi, vous aurez un grand choc entre l'AS Douane et le leader du championnat, AS Fan. À présent, à l'international, le Nigeria a nommé un ex-international à la tête de son équipe nationale masculine. Oui, Salamatu, le légendaire ailier Finidi George s'est vu confier la lourde tâche de relancer la campagne, de qualification pour la Coupe du Monde 2026 des Super Eagles. L'ascension de George à la tête de l'équipe nationale nigériane est en quelque sorte un retour aux sources, car l'ancien star de l'Ajax Amsterdam et du Real Betis a passé 20 mois en tant qu'assistant du Portugais José Peciero, finaliste malheureux de la dernière Cannes en Côte d'Ivoire. Adam, pour finir, on connaît les deux équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Là, il s'agit de l'Espérance de Tunis, les Mamelody Sundowns de l'Afrique du Sud, qui ont composté leur ticket pour les États-Unis, pays hôte du mondial des clubs de la FIFA qui aura lieu en 2025. Une qualification obtenue à l'issue des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF Total Energy qui s'est déroulée ce vendredi dernier. C'est la fin de cette page sport. À demain pour un autre numéro avec Asumi Gourouza. Merci Adam pour toutes, ces, pour toutes ces infos sportives. Place à présent à notre portrait du jour. Alors Sali, qui est l'étoile du jour Polygame et père de 11 enfants, Abdul Salam Abba est un natif de Tibiri Douchi, région de Dosso. La principale activité de cet homme de 42 ans est la vente de condiments dans un quartier périphérique de Niamey. Notre reporter Oumu Omoru est allé à sa rencontre. rencontre, voici son portrait. Muna cikin rumfan Abdulsalam Abba mai sai da kayan miya a unguwar Site Dipte a nan birnin Yamai. Abdulsalam Abba na sai da kayan miya iri-iri, kayan ɗanye da yajuka. Rumfan nashi na cika da mata da 'yan mata masu saye, kowanne na bukatar a saida mishi. Wannan sana'a Abdulsalam ya hara shi tun yana karatu idan an ba su hutu. Ga bayani bisa kan yadda ya fara wannan sana'a. Daga farawa ina ikon lokacin ina nivo katriyam. Mun ka zaka cikin vakansu muna ɗauka bureti muna sai da su arake, su aduwa, su fara su gujiya duk muna saidawa to daga haka nan ne da ni turajen ban samu ba da ni dawo sai ni fara aza teburi ina saidawa kaɗan kaɗan hatin vakansi ne haka mun ka tattaro muka zo gidajen yan uwanmu muke zama wajen su daga nan ne sai ni ga to zaman bai in kana ekol ya kamata vakansi in ka zo kun ƙara ayyuka ka zo ka rinka aiki kaɗan kaɗan daga haka nan ne fara eh da nan ne ma ban samu ba kuma sai ni gani to inda ka ne ma baka samu ba shi dai hanyoyi na Allah da yawa ne kenan kana iya ka jaraba sai ni jaraba da kasuwanci kuma alhamdulillah idan kaɗan kaɗan abin na ci gaba sai ni fara sa kayan a cikin shi kaɗan kaɗan kaɗan sai ni samu ni buga tol idan wajen 2005 ɗin nan zuwa 2006 cikin samu hannu a wuratayya cikin shi kuma yana cikin shi ina ci gaba Allah ya sa na samu hili inda ni gidan kana ya jukka da ɗanyen kamiya su ya ba da ƙarhi yana alfahari da wannan aiki da yake yi da yana samu yana buɗe bukatun masu saye gare shi a fannin girki. Kayan miya na he ba su ƙarfi ƙwarai a kasuwancin nan. Ko menene in dai buƙatar dai kiliyan yana son shi ko ina nika nemo shi ina nemo shi in kame shi ko ba wata dogon riba nake samu ba in dai kiliyan dai buƙatar shi ta biya to ni buƙata ta ta biya. Inda shi kasuwanci in baka samu ga wanga ba kana samu ga wanga. Iyaka dai in sun yi haya hayan su ne sun yi magana su kuma sai in ba su hakurin musu to kun san al'amura sai a hankuri. Mun riga mun zama guda kuna sai sai ina sai da kenan dole wata ra'a samu ba daidai ba kuma wannan dai sai mu nemi juna ga haraka ba ma samu matsala tsakanin da su sai kamshin kayan miya da ya juka a ruhan nashi fara'a da masu saye ke yi don kayan kirkin na buɗe bukatun masu saye da aggare shi ga shaida da salamatu Ahmadu cikin masu saye gare shi. abdisalam wallahi borno kan gonda foygine kul ir jiri iddu wara hay kul kan ni tunte ni ga duwadu ba ci no ni koy foygine gono egine hanna hanna yanna kate agonda dogone agonda way bare suru abdisalam abba na ba da bayani bisa kan su da masu saye yadda yake a game da aikin nashi. To hulɗa da mata kin san su mata sai a hankali wani bi in sun ɗauki bashi ba su saurin biya wasu su gudu da kayan naka wasu kuma ba su gudu wasu kuma kana haɗuwa da mutane ko kowane iri mafi yawancin matsalar kamiya shi ne ke yawa mutane suke gudu da kudaden mutane shi dai ne babban matsala a ciki to yanzu dai ni dai guri na na harko dai na gode ma Allah kuma na harko ina son in ƙara Allah ya taimake ni in ƙara samun bunƙasa fiye da haka kuma in yawalta wa mutane C'était le portrait du jour. Dernier tour musical avec l'orchestre 7 étoiles d'Alik qui nous chante Béré. Donaro gaskiya baba Zakariya yawo Remo mana baba La vie c'est derrière Yau da gobe sai Allah Dike dalo Aye ni c'était ni bayi L'orchestre c'était toi Bora bako sidini do moria Kulikini go ni baba goya Welcome back Zama chindo berei ni gabai Chidomo bere dei ni

kasayde san kasayde akatan san kasayde de zakka baba sayde de barki to amana dai ni ga mai chiko mu amana dai ni ga wa barki to albarka no goya chito mu albarka kulsi mo puni nyota di no no saanam kunan aanadoo. zambar ko jakar sanin gani albarka no godiga kalli da mako ne shi tsabi bai mana man kare cause it is baby. soni nige aine salamo to liriga mama na kalu soni nige basi yo do no aige salamo do ga do nige na pesa pise ni gondoma we bin na fayidan di samo titi Voilà, chers auditeurs, euh, vous venez d'écouter le titre Béréi euh, de l'orchestre 7 étoiles d'Alik. Faisons place maintenant aux femmes du studio Kalangu pour le loti qui parle d'espacement des naissances. Le loti des femmes du studio Kalangu aujourd'hui porte sur l'espacement des naissances. En effet, le Niger a le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 7,1 enfants par femme en moyenne selon les Nations Unies. Pour bien espacer et limiter les naissances, le meilleur moyen est d'utiliser des méthodes contraceptives. Écoutons Hawa Ousmane et Rechia Arimi pour le sujet. Hey haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga nan dai sun ɗauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su ɗauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane dan mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce uwarsu mamu ke ce uwarsu tubari kalla yi eh, mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarunsu nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai. Wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Aha, na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina baka ba da kodala. Hmm. in miji na bayar da ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me arziki to in mijinki bai yarda ba kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsai da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji, duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki don mijinki ya yarda. yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin. Baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? sannan kuma irin mahimmanci ne an ya ku wannan bisa da tsada kuwa kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali akwai kuma wasu hanyoyi kinga da yake muna a cikin afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke shakuruminki daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha Ƙwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi nawa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. Voilà, merci euh, au desk femme du studio Kalangu pour ce loti offert. Suivons maintenant la culture linguistique en fulfulde avec Ali Le mot de la semaine est travail. Bonjour Ali. Bonjour Seyni, Bonjour euh, Salamatou. Comme vous l'avez déjà annoncé, l'autre mot du jour pour la culture linguistique aujourd'hui, c'est le travail. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur la rubrique culture linguistique de Niger sur Kalangu. Ce mot travail a été expliqué en anglais, en français, en germain et en haussa. Aujourd'hui, nous allons tenter de l'expliquer en fulfulde. Chaque année, 1er mai est célébré à travers le monde la journée internationale du travail. Et c'est pour cela que nous avons proposer ce mot pour l'expliquer ko indira kongol travail der francire kan woni GOLAL. gollal Gal do ni hano bi'irden dum golal gollal no lato, gollal jungo igal lato, gollal bureau e ko nandi titta endan no du fahande, hande na bi en no hida gollal du hebude ɓeydari ko wadda yaadu yeso heɓu yimɓe nafu, belto nder burna gonga hanu no ɗum irede gollal no naawi igal naawi amma ɗum him haɗata no haani himɓe nata e gollude no haani himɓe tittinkino gollal gal gollal bani ko igal naawi gollal gal enda han no fulɓe bi'irta ɗum gollal gal endan kangal remɗinta neɗɗo dimaku du wala mo dimaku kandu ni fa hande no jokki darja gollal kan darjinta neɗɗo ga hande ni de en daari neɗɗo fuu mo gollata wala gollal ngal waɗa wawa heɓude ko humta haaju muɗum heƴƴora denne ɗum ndu no wadda ko himɓe mbawa teddinde joomum ɗum saabi miɗen gatta daane he moɗo onon ummatore leydi niger rewɓe worɓe ummoɗen daroɗen gollen gam ɓeydari heɓo leydi meɗen keɓen weltare nder majjum de en daadi duni fa hannden gollal ngal en dan dalila batu nyaloma ittanaɗo golle nder leyɗe duniyaru go'o lewru mai hitane fuu golloɓe gomnati e golloɓe joɗiɓe nder jonde ko'e mumen na golloɓe golloɓe nder sarusuji joɗɗinaɗe dow jonde ko'e mumen no ɓurto waɗude batugu en dan ngam hollude gollal ngal ɓe tawra waɗude gollal ngal ɗudi fa hande nder batugu en dan iɓe kolle golle ɗe en dan e ñeñal ngal en dan ngam golle bela himɓe woɓɓe daara ñemmina Golal maɓɓe gal en de en daari ni se cembinɗina himɓe ɓe jaha ɓe golla gollal wala pamaral gollal fuu ngal huntude de haaju neɗɗo nde neɗɗo ɗum to soƴƴorno ɗum gaɗa bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kalangu e sigilaji mum bandiraɓe hettinaniɓe duni fa hande sigilaji niger sur kalangu on barkini ɗo min daranto do pamtinol konngol travail de faransire nder fulfulde gollal on barkini voilà tout pour euh, aujourd'hui. Merci Nelly pour ces éclaircissements, chers auditeurs, auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashak ou en fulfulde, n'hésitez pas de nous laisser un mot au 82 89 89 64. C'est nous, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ina da duk mutanen da suke a cikin radio na kalangu eh, wanda suke saurare da waɗanda suke sara abun gaskiya muna jinjina musu sosai kuma mutane su mai da niyya sosai ga kalangu gaskiya assalamu alaikum ai ma ka tahir musa kan godo so yi gogaran fondo ko karo wallahi radio kalangu yi goga hangan gumo rigo bano radio kalangu yi ba yi mutuntuna ga wana wana zan kai haraka kan rayigo ga kangiga hangda dorogo go ga gahang ya maria ngai dindeno igo ba armo tontanada igo garan kaye bora borame ame kaye silgi ni barkande jiru baraya ay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aino umar ahmadu kango radio faran kolobora go garan fo ara emission mo i igo kane se gum gumu emission ngai rasin da wo kulka si jama be gandi do su kwara zato su kauye me ame amino go ga be ganda radio kalangu amma ine dingai du aram cincin ka kauye ngai mo bongai feri ngai se ngai mo mudu ka furo adiyo kalango albarkara ngai mudu a zama zaman cinan go kulno ngai gudwa dingai dingai cincin ka kauye ngai bongai feri ngai mo mo fun kubara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ayo ay mayo da kati sulai ada kai studio kalangu irga sabaran se gum gum gumu e irko de maran ga kasine zama in daran hunkuna irte nya fo irte babu fo irko mu tontonaran se bera ga irmo irko min daran ka hinkar suru no kino kulsi na niger wara kan dai studio kalangu si salam ga wallahi irga sabaran se gum gumu aran makai kai saran malakunan irko de maran no bera ga tonto Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamot Kadri et de Ali Munkala Ousseini. Dites-nous, je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal en langue jarma. La technique était assurée par Issa Lawali et à l'édition, c'était tout simplement la grande dame Adama Dawaki. Sur ce, ciao ciao, excellente journée.